Nous sommes jeudi 30 mars 2023. Chers auditrices, auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou. Je suis, je suis Salamatou Kadri alias Sali et avec moi Ali Husseini Di Seno. La technique est assurée par Amina Hassan Donwati et notre chef d'édition. Seno, bonjour. Bonjour Sali, comment ça va Je vais super bien, Dieu merci. Qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs Dans le Niger sur Kalangou, comme d'habitude Sali, il y a le flash d'information, le loti avec les femmes du studio Kalangou, du sport avec notre chroniqueur sportif du, jour, Guruza Hasumi. Sans oublier la culture linguistique et la rubrique éducation au numérique avec notre cher ami Abdurrachid Meiga. C'est pas fini, c'est nous. Avec le ramadan, nous avons initié pour nos auditeurs de nouvelles rubriques pour les accompagner durant ce mois béni. D'abord, il y a des conseils sur le comportement du génère avec le prédicateur, quelques recommandations avec euh, le nutritionniste, ensuite la recette culinaire et la rubrique rose. Évidemment, nous terminons avec euh, le message de nos auditeurs. Mais avant tout, Sali, hein, nous recevons l'invité du jour euh, en la personne de Ali Samba. Il est le président de la Fédération pour tous et randonnée pédestre. Avec lui, nous parlerons de la discipline sportive. Bonjour à tous, sans plus tarder, passons au flash d'information présenté par Ali Tajissir. Tagissir, bonjour. Bonjour Salamato, bonjour Seno. Bonjour Tajissir. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin Aujourd'hui, nous commencerons d'abord par cette visite du bureau sortant du Conseil supérieur de la communication, conduite par son président Dr Sani Kabir. Il a été reçu hier par le président de la République Mohamed Bazoum et le président de l'Assemblée nationale Seyni Oumarou. Dr Sani Kabir a déclaré qu'ils ont remis le bilan du rapport annuel de leurs activités et échangé avec eux sur les différentes contraintes dans la pratique de régulation des médias, notamment dans la production des textes qui garantissent cette mission de régulation. Et sur la sécurité, la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue a été installée hier à Niamey. Elle a pour mission de coordonner toutes les activités des institutions et services en charge de la lutte contre la drogue au Niger. Elle dispose à l'intérieur du pays des commissions régionales et départementales qui ont compétence pour procéder à la destruction de stupéfiants saisis par les services de répression. Nous terminerons par euh, cette euh, information, le gouvernement allemand a ouvert la voie ce mercredi à la participation des troupes allemandes à une mission militaire de l'Union européenne au Niger, rapporte le site d'information aaa.com. L'Allemagne aurait l'intention de déployer jusqu'à 60 soldats au Niger dans le cadre d'une opération de l'Union européenne pour soutenir le gouvernement du Niger dans une mission de trois ans mobilisant une force de 50 à 100 soldats européens dans un premier temps et jusqu'à 300 soldats à terme dont la mission principale est d'aider le pays à améliorer sa logistique et ses infrastructures. Merci Ali Tajissir pour euh, toutes ces informations. À présent, chers auditeurs, comme euh, annoncé tantôt, nous sommes avec notre invité ce matin. Nous recevons Ali Samba. Je le rappelle qu'il est le président de la Fédération Sport pour tous et randonnée pédestre. Bonjour, euh, monsieur Ali Samba. Bonjour euh, nous bonjour Salamatu. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors mm. aujourd'hui, nous allons parler de randonnée pédestre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord le mot du prédicateur pour les jeunes. Le cure ou soit c'est le bâton qu'on utilise pour curer ses dents. C'est une pratique euh, très importante en islam parce que l'hygiène et la propriété occupent une place très importante. C'est une pratique que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi On a demandé d'ailleurs à Aïcha que fait le prophète dès qu'il rentre chez lui. Elle a répondu que la première des choses à laquelle elle s'attelle, c'est l'usage du swak. Surtout pour un ça sert à améliorer la langue. Ça consolide certains actes culturels comme la prière, comme la lecture du Coran, l'usage du Qur'an, C'est très important. Et toute bonne œuvre accomplie a des récompenses auprès de Allah subhanahu J'espère que ceux qui n'utilisent pas le kirdan vont ici, mettre. Après ce conseil religieux, chers auditeurs, passons à notre invité du jour. Alors, M. Euh, monsieur Ali Samba, vous êtes euh, président, mais aussi précurseur de cette fédération sport pour tous et randonnée pédestre. Expliquez-nous un peu en quoi euh, consiste cette discipline. Mhm. Donc, merci beaucoup, Signor. La Fédération nigérienne de randonnée pédestre et du sport pour tous est l'une des plus jeunes fédérations au Niger. Mhm. Elle a été créée récemment, mais nos activités ont commencé, ça fait longtemps. Ça fait plus de cinq ans que nous participons aux activités à l'international et une quinzaine d'années sur le plan national. Wow. Et c'est euh, ce dynamisme que, qui nous a permis d'avoir euh, la confiance de la Confédération africaine de randonnée pédestre. Mm. On a eu à participer, nous sommes parmi les pays fondateurs même de la Confédération de randonnée pédestre. Ah mais ça c'est applaudir. hein? <laughs> Donc euh, dès la création de notre fédération, ils nous ont fait confiance et ils nous ont dit l'activité internationale sous-régional sera confié au Niger parce que bien sans avoir une fédération, le Niger a mené des athlètes sur le plan international, c'est extraordinaire et c'est l'un des rares pays même qui le fait sur le continent. D'habitude, les gens à travers les fédérations ont l'appui de l'État, etc. Mais à travers euh, les, une association simple, nous utilisons nos propres moyens pour défendre les couleurs euh, du pays à l'international et d'habitude, on est très respecté plus précisément dans notre confédération. Mais à quoi consiste cette discipline Qu'est-ce qu'on fait exactement <coughs> Exactement, la fédération a comme objectif de c'est le nom. Mhm. D'abord, certains, si on dit pédestre, pédestre, ça veut dire la marche. Mhm. La marche, c'est une activité sportive et elle est complète comme la natation. Mhm. L'objectif, c'est quoi C'est d'amener la population nigérienne, les 25 millions de la population nigérienne, à, à s'adonner aux activités physiques et sportives. Physiques et sportives. Pourquoi Parce que ce n'est pas uniquement le sport qui, est, qui, qui peut vous aider à être en bonne santé. Si vous avez, vous faites, vous avez un jardin et vous êtes dynamique de votre jardin, vous allez voir les jardiniers, ils sont bien en forme, bien musclés, ils n'ont pas de ventre haute. C'est comme du sport, ils le font. Ils font. Et beaucoup de métiers. Il faut bouger, il faut amener les gens à bouger et à faire du sport. Donc notre fédération a comme euh, vraiment mission qu'on s'est donnée, c'est de faire en sorte que toute la population nigérienne fasse soit des activités physiques et sportives ou la marche sportive pour avoir la santé. Parce qu'il faut savoir, tout le monde est malade. Et tout le monde met des fortunes pour se guérir. Mhm. Ou bien mais des fortunes pour, pour euh, que ce soit euh, des personnes jeunes mhm. ou comme des personnes âgées, mhm. tout le monde vraiment actuellement souffre de quelque chose. Et je veux vous dire honnêtement entre nous, ceux qui le font le savent. Il n'y a pas une meilleure prévention plus que la marche ou une activité sportive. Si vous marchez régulièrement, l'histoire de même si vous avez diabète, vous pouvez aller chez le médecin, on va voir que c'est toujours stable. Hmm. Si vous avez l'ulcère, etc., etc., tout ce que vous connaissez, les maladies non transmissibles, là, vous les neutralisez. Mhm. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une société forte. Et une société forte commence par une société qui est en bonne santé. Effectivement. Évidemment. Et nous avons tous le devoir de contribuer au développement du pays. Donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, avoir, pour apporter votre contribution. Exactement, pour apporter notre contribution et faire en sorte que notre peuple soit un peuple en bonne santé mhm. et un peuple fort pour relever les défis de l'histoire. Vous avez vu la Chine, vous avez vu les autres pays, ils se, battent corps et âme. Et pour qu'ils soient, ils, ont, ils sont arrivés là où ils sont parce mhm. que ils qu'ils ont travaillé sur des bases. Et la base, c'est d'abord la santé, la base c'est l'éducation, la, base ce sont ces genres de choses. On a remarqué que sur ce terrain de santé, de prévention de santé, il y a peu d'interventions et on s'est dit il faut qu'on se lance. Et on s'est lancé, comme je viens de vous dire, presque 15 ans. On fait des marches dans la nature qu'on appelle Madana, où on regroupe plusieurs gens et l'avantage de ça, c'est à la portée de tout le monde. Le riche comme le pauvre, l'intellectuel comme euh, l'illettré, tout le monde ensemble dans la joie et ils marchent dans la nature. Ils ont l'avantage d'être bien après la marche sur le plan psychologique parce que le stress, tout est parti. Mm-hmm. Et sur le plan physique aussi, les, à travers les sueurs qui sortent et leur corps se purifie. Mm. Je pense que c'est une mission que tout le monde doit faire euh, comme, et doit prendre en compte autour de lui, si c'est chez toi, voir ta famille, il faut faire sortir ta femme, tes enfants, vous faites le tour du quartier par exemple. Vous allez dépenser moins euh, dans, l'achat des médicaments. Si vous, avez, vous êtes chef d'entreprise, pourquoi ne pas sortir avec vos collègues au moins une fois par semaine Ça va vous rapprocher, etc., mhm. etc. Donc notre fédération, et aussi à travers ces choses-là, on, va, on peut détecter des talents. surtout, surtout, surtout, on peut sensibiliser la population sur des choses éthiques et sur les choses de patriotisme, hmm. sur beaucoup de choses, sur la santé, mhm. comment se protéger des VIH, par exemple, sur même vous activités, les médias, comprendre le, rôle des médias mhm. et qu'est-ce que les médias peuvent apporter et éventuellement pousser la génération présente, c'est-à-dire la jeune génération, à être, comme ils veulent bien se définir, une vraie génération consciente. Mhm. Donc ça veut dire que pendant cette rencontre, euh, il ne s'agit pas uniquement de faire la marche, mais c'est aussi d'échanger euh, un certain nombre d'idées entre mm. ceux qui participent à la marche. Mm. Et cela entraîne également euh, la cohésion sociale, je mm. pense bien, ou bien. Donc, avant cette marche, mm-hmm. nous comptons faire, avant la marche internationale, mm-hmm. qui, bon, déjà, je, comme vous amenez le sujet, je vais commencer directement par cette marche euh, internationale, mhm. qui c'est la marche de la rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre, qui va se tenir euh, du 24 au 27 mai de cette année mhm. à Niamey. Et durant cette activité, on l'a on l'a baptisé randonnée des sables mhm. parce que c'est la quatrième édition. Les autres pays ont mis leur ce qu'ils ont de mieux mhm. devant. Certains ont mis la mer, certains ont mis, je ne sais pas, la forêt, qui ont... Et nous, on a le désert. Et le désert, c'est une fortune. Donc, l'objectif, euh, on, a, on l'a baptisé randonnée des sables, parce que j'étais en train de, au moment où on voulait nous donner, j'aime bien dire cela, au moment où on voulait nous donner vraiment euh, cette rencontre. Mhm. Euh, on voulait nous demander, de, euh, au moment où la Confédération nous a demandé d'organiser cette rencontre, il y a des collègues qui nous ont dit, mais vous, là, chez vous, il paraît il n'y a que du sable, etc., etc., etc. Ça m'a fait rire. Je les ai dit, si lorsque vous viendrez, vous verrez la beauté extraordinaire qu'on a. Mmh. Et même pour vous honorer, on va nommer cette activité randonnée des sables. Et notre thème, comme vous venez de dire, c'est la randonnée pédestre au service de la cohésion sociale ah. et du développement. D'accord. Merci beaucoup Ali Samba. Avant de continuer nos échanges, nous allons marquer une petite pause en suivant notre deuxième rubrique spéciale Ramadan. Il s'agit du conseil diététique avec Al le nutritionniste. Et oui, pendant ce mois de Ramadan qui coïncide avec euh, la période de forte chaleur au Niger, les jeûneurs consomment divers euh, aliments. Alphaz sahara nwari normal non. matakan de boga ci nwari nwada ya no burgun wada Ça dépend. da aikan go boga si Mais aga buri bo mun wa ganan juste ni ga goraga ensuite bo ma hari da fruit yango gono kan bor hingan wa pastek wal melon yan kan gonda hari wal ga ku hal concombre yan kan ganan harom gor borra to mi farmadu e etant donné que bora gunda gor vit aman wa man han donc ya nagati bor mu sintin da nwari banu da bi ne zakai na fo da bo wani nwa a ga ka fur gunda ga zama gunda kan ga aman gwai nwari kan ni gano que am bai kan nwari wuka donc a si bori bom ka ga mi farmega nwari e, tin gudun asibori estoma si ari bori bom sintin dun war kaina har kaina manti har yinu har kaina da yalla free free kenya fala jingaro banda a hinka minga kopte zaka yinu ga am ko inga na filedo na fila banda daka hinu a ginginga ngwaru ngwa normal lama kan manti hunkuni za bogam ninga za ngwaru bubu sama malugo zuma ukan boye godi ti mi hau mi farmaga borek suwe ga ngwaru bubu ti ai ngwa sa manti mwa ga sargen no bo mwa just mwa kan go bo se kan baga bo bo mwa maka maka ya moya kuskusi ya ba hayo kuruku ba igni aga bo bo mwa me hal alfazo go to ken ken burga hari hawo dun kulka bo sunga ga katare ken ken burga ha manti bo ga litu fuga hannu gaba daya ha a verfo son bo ga 20 minutes banda bo mi ga verfo 30 da bamu zafi fo ken ken burgza hari ken ken burgza kalama zumbu zama hunkuna bokul kan za alfaza kala almari amma na haikulun wa sabdu ku muradu kulka arte sukuro din kan igo ga handin to sukuro din nuna za alfaza kala almari idu jingai murarite don sukuro din ga hamura iga hamera donc me farmai a bori imin wa sukar kaina muwar kan gonda sukar kan ganan sukar kul kan fatta isa iga hama ga zarora ima récupéré matakan dai haro kan burga hama ga burga ga fara mai kara hinu saharai yadin no sukaro mu na kai amma da monduma bogai misi gaban da aga da kafi zama bobo gon kan miyawo hando gano igini a ngai go miyawo amma ngai go ga ga hamza ifo sai go sukar bobo han sukaronin kan zarora igwaida ukan yi kan daga baga bisa ukan igwaida don sukaronin kan ba ingano ko te bo se mani don manu mu yi bai dur kan aga kandi ga C'était Dr Harakoy Mohamed, pharmacien nutritionniste. il était au micro de Hadiz Hassan Sidikou. Oui, salut. Retour au studio à présent avec euh, notre invité hein, qui, je vous le rappelle encore, euh, est le président de la Fédération Sport pour tous et randonnée pédestre. Monsieur Ali Samba, dites-nous, euh, est-ce que vous avez parlé bien évidemment de certaines activités que vous organisez ici même à Niamey, mais en dehors de Niamey, est-ce que vous avez l'habitude aussi d'organiser ces genres d'activités à l'intérieur du pays <coughs> Merci. Donc la première des choses, il faut, euh, pour information, euh, à travers euh, une association qui s'appelle Londi, mhm. nous avons créé le complexe médico sportif mhm. Londi. Mhm. Au niveau de ce complexe, il y a une salle de gym, il y a tout ce qui est kinésithérapie, massothérapie, consultation psychologique, qui est située au niveau du nouveau pavé d'Arsalam. Et cette salle est l'une des premières salles du sport ici et ça a motivé la création de beaucoup de salles actuellement ici. Mhm. Et beaucoup sont venus vers nous, je vous parle de bien avant même la création de la fédération, mhm. pour prendre des conseils et on leur a donné avec plaisir parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas, pas une concurrence, c'est plutôt la santé pour tous qui est importante pour nous. Mhm. Ça, c'est par rapport à euh, la santé pour tous. Maintenant, par rapport à la randonnée pédestre, aussi, on est pionnier de cette activité, on est la, première euh, association qui avait commencé à regrouper les gens et à les amener sur des sites comme à la périphérie mhm. pour les faire marcher comme je viens de vous le dire. Et on le faisait presque chaque mois. Chaque mois, on prenait le dernier dimanche, mhm. on regroupait des centaines de personnes. Parfois, on allait jusqu'à 500 personnes, 800 personnes mhm. qui marchaient ensemble en famille, etc. Dans les régions, on a les ligues. Et les ligues aussi se battent pour pouvoir faire cette activité, on a des clubs aussi qui commencent à, se créer. Mhm. Et ça fait, euh, pour vraiment vous dire, la population est en train d'adhérer parce qu'ils voient les bienfaits de nos activités. Ah ah Au-delà de tout, ils ont la santé, ils ont le bien-être physique et à travers ça, des talents sont en train d'être détectés. Mhm. ouais. Par exemple, en marche, euh, dans les marches, c'est une marche sportive aussi, mhm. et dans les activités de salle, on retrouve des gens qui sont très dynamiques mhm. et c'est une forme de réservoir aussi pour les autres fédérations, mhm. pour par exemple l'haltérophilie, par exemple les fédérations de bras de fer, etc., mhm. etc., viennent se, ressourcer chez nous et ils trouvent leur compte. Donc nos, nos interventions ne se limitent pas uniquement à nous, ça, ça s'est étendu aussi sur les autres associations sportives, culturelles ou de loisirs. Actuellement, c'est de ça que je voulais vous parler. Mhm. Nous sommes en train d'organiser la randonnée nationale. Et là, c'est super. Oui, effectivement, on parlait de la randonnée nationale et vous êtes à l'organisation, vous êtes vous êtes en charge de l'organisation d'une compétition internationale, n'est-ce pas mhm. Et maintenant, dites-nous quel est l'avantage pour le Niger d'organiser cette euh, compétition mm, D'accord. Cette compétition, la randonnée nationale euh, dont je commençais à vous parler, et une activité préparatoire de la randonnée internationale qui, se, qui va se faire le 24. La randonnée nationale va se faire le 30 avril, dans un mois plus précisément. Mhm. Et durant cette randonnée nationale, nous comptons regrouper toutes les couches sociales qui existent au Niger. Les institutions étatiques, mhm. les institutions diplomatiques, mhm. les institutions humanitaires, les, les, les, commerçants, tous, toutes, toute la, les étudiants, les élèves et faire un brassage exceptionnel qui n'a jamais été fait au Niger. Mhm. D'habitude, si vous voyez les gens se regrouper au Niger, c'est pour manifester <laughs> ou bien pour autre chose. Mais maintenant, les gens vont se réunir dans la joie, dans la gaieté, dans la solidarité ah et pour le bien du peuple et c'est extraordinaire. Depuis la création du Niger, c'est la première fois qu'on va assister à, une, à des événements comme ça. Et c'est ça qui a toujours manqué au Niger. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont amers entre elles, les personnes sont amères entre elles et plein d'autres choses. Et nous voulons avoir une, une société où chacun sourit pour l'autre parce que le, le, cadre est créé. la randonnée nationale dont mhm. je viens de vous dire, mhm. elle se fera à Niamey, en grand pompe et aussi dans les régions. Et cette randonnée nationale est préparatoire à la randonnée internationale dont vous venez de nous dire. Mhm. Et durant cette randonnée internationale, c'est l'avantage et l'intérêt que le Niger va avoir. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest vont venir au Niger. Imaginez les 15 pays, ah, même économiquement, c'est que le Niger va gagner. Sur le plan touristique, c'est que le Niger va gagner. Et au-delà de ça, le brassage entre ces peuples va favoriser l'intégration sous-régionale que tous les chefs d'État ont toujours souhaité. Donc, euh, les avantages sont immenses. Effectivement. Et on compte, si, je vous dis de deviner combien de personnes nous souhaitons mobiliser, je pense que vous allez me dire peut-être 1000. Euh, mhm. Nous comptons mobiliser au minimum 15 000 personnes. Merci. Alors, euh, une dernière question, une mhm. dernière question. Quels sont vos projets futurs nos projets futurs, c'est surtout voir dans quelles circonstances, avec les partenaires, multiplier les cadres, et les, les, lieux de loisirs, de sport ou de culture. Parce que c'est insuffisant. Aujourd'hui, si vous voulez faire du sport, vous avez que le stade général seine kunche peut-être la Foot, c'est insuffisant pour une population de 25 millions. Mhm. Donc, euh, c'est important pour nous de voir comment appuyer sur, par rapport à la création des cadres de, sport, de, loisirs ou, et autres. La deuxième chose, c'est de voir comment nous pouvons créer des clubs dans tous les, dans tous les quartiers euh, qui vont animer les quartiers et plein d'autres choses. Et là, enfin, nous souhaitons que d'ici la fin de notre mandat, que nous puissions organiser même la randonnée pédestre mondiale. Merci infiniment, Monsieur Adi Samba, de nous avoir honoré de votre présence et d'avoir répondu à toutes nos questions. Excellente journée à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Mm. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, euh, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec euh, l'éducation au numérique. Oui, c'est nous. Nous accueillons notre collègue Abdelrachid Maïga, dit Aladdin. Il est avec nous dans ce studio. Aladin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va très bien, Aladdin. Et eh, Aladin, qu'est-ce que le, placement de, produits Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler du placement de produits dans le cinéma et, quel impact elle a sur euh, l'industrie cinématographique. Le placement de produits est une pratique courante dans l'industrie cinématographique. Les marques payent des sommes importantes pour euh, que leurs produits soient présentés dans des films à gros ou à petit budget, selon la stratégie du placeur et de l'espace offert dans le film. Cela peut inclure tout. En fait, cela peut tout inclure. Euh, on peut parler des voitures, euh, des marques de jus, des marques de, je ne sais pas, de produits, euh, tout ce que vous voulez. Car donc, c'est le fait de, de placer votre euh, produit, votre film, votre marque mhm. dans, le, dans un film destiné, dans un film cinématographique. Ok, Aladdin, et quel, quel avantage de faire un, placement de produits ou, ou, ou marques au, cinéma Ok. en fait, le, le, le placement de produits ou de marques au cinéma peut offrir plusieurs avantages pour les, pour les entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits ou services. On parle de visibilité déjà. Le placement de produits ou de marques au cinéma peut donner une visibilité à grande échelle pour les produits ou services d'une entreprise. Les films peuvent atteindre un large public dans les salles de cinéma, ainsi que lors de la diffusion en streaming euh, euh, ou en, VOD, euh, en DVD, etc., etc. Offrant, donc ça offre une exposition significative à la marque ou au produit. On parle aussi d'image de marque, c'est-à-dire que le placement des produits peut aider les placements de produits peuvent aider à renforcer l'image de la marque d'une entreprise. Une marque est associée à une franchise de films à succès. Elle peut bénéficier de la popularité du film et gagner en crédibilité, en prestige auprès du consommateur. Quand on prend pour exemple les Ray-Ban, vous voyez les, lunettes qu'on porte. Donc les Ray-Ban mhm. ont augmenté leur vente de 40% après euh, leur apparition dans le film Top Gun, un film à succès mondial. Donc euh, on peut parler aussi du public cible. Pourquoi Parce que les films peuvent être choisis en fonction de leur public cible, permettant ainsi aux entreprises de cibler les consommateurs de manière plus efficace. Par exemple, si une entreprise peut cibler des adolescents, elle peut choisir de placer ses produits dans les films pour adolescents. Tu vois, vous voyez, non, par mhm. exemple, euh, si euh, vous vendez des montres qui, qui s'adressent aux jeunes, aux adolescents. Donc, euh, si votre marque de montre, par exemple, le marque de montre de Seino, hmm. ça s'appelle Seino et que... <laughs> Euh, les jeunes aiment ça. Exactement. <laughs> Ça, ne dit, ça dit pas grand-chose aux, vieux, mais les jeunes adorent ça. les amis ça. eux, ils peuvent, ils peuvent choisir de les porter. Et quand tu... si tu veux placer ton, ton, ton, produit dans, le, dans un film, il faut regarder les genres de films de jeunesse qui se produisent peut-être au Niger ou en Afrique ou dans le monde entier, tu peux accepter de mettre ton film de de placer ta montre dedans et les jeunes se sentiront concernés et prendront juste, ça. Euh, juste euh, le fait de savoir comment vendre son produit en un mot. Oui, voilà. exactement. Donc, euh, on parle d'authenticité. Le placement de produits peut donner une impression d'authenticité au produit ou service. Il est c'est un produit qui est utilisé dans un contexte d'un film. Cela peut donner l'impression qu'il est réellement utilisé pour approuver les personnages du film. Tu vois, c'est-à-dire que quand c'est un personnage du, film, le personnage du film peut faire en sorte que euh, on, accepte ton film, on accepte le produit qui est, en qui est placé dans le film. On parle aussi d'impact émotionnel, les placements de produits peuvent avoir un, un impact émotionnel sur les spectateurs si un personnage utilise le produit ou le service dans un, dans un moment clé du film, cela peut renforcer l'attachement émotionnel pour les spectateurs. Par exemple, si tu as une marque de voiture Opel, d'accord La marque de voiture Opel est, est que le héros, pour fuir le danger le plus qui est en train de le tuer, il peut aller directement sur, euh, il, sort, il court avec la voiture, avec le euh, l'Opel. Si la marque Opel lui permet de sauver sa vie, les gens peuvent développer des sentiments, des sentiments euh, pour cette marque de voiture et puis peuvent l'acheter. Merci, hein, merci, merci infiniment à l'Adam de nous avoir édifié sur ce sujet. À présent, hein, nous allons prendre soin de nous allons prendre soin avec euh, la rubrique rose. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est astuce beauté de la rubrique rose. Aussi, nous parlerons de comment s'hydrater et étancher sa soif, surtout en cette période de chaleur et de ramadan. La rubrique rose, c'est également des recettes de cuisine. Sans tarder, voyons ce que nous propose les filles. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Dans la rubrique Rose, nous quelques astuces de beauté avec les produits de nos cuisines. Ça sera avec moi, Mariam. Puis dans l'espace euh, santé et bien-être avec moi, Ruki, on vous fera découvrir l'importance de l'hydratation du corps. Et enfin, en cuisine, nous découvrirons quelques idées qui facilitent la vie. Et c'est avec moi, Fanta. Coucou fidèles auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vous ai concocté les astuces beauté suivantes. Le masque au miel, il sert à repulper le peaux fatiguées un peu froissées sur un visage bien nettoyé. Repartir deux à soupe de miel pur en évitant les yeux, le nez et la bouche. Laissez poser 15 à 20 minutes puis passer un petit bain de vapeur sur le visage et nettoyer à l'eau claire. Le coup d'éclat du citron. Le citron éclaircit le teint et resserre le peau un peu dilatée. Comment Presser un demi-citron, filtrer pour retirer la pulpe, ajouter deux cuillerées à soupe d'eau minérale, passer avec un coton sur le visage démaquillé, laisser agir une à deux minutes avant de rincer à l'eau. Le secret de la tomate. Elle régule le pot grasse, découper une tomate en fines tranches et poser sur le visage nettoyé. En évitant le contour des yeux, laisser agir 15 minutes. Alors moi, le citron, oui, j'ai déjà utilisé du citron. Bon, moi, le citron, ça ne va pas à ma peau. Ma peau est assez sensible, mais le miel, ma peau adore. Ok, Ruki, tu peux toutefois utiliser la tomate. Hein. Désormais, ça sera la tomate. Bonsoir les amis, dans l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation du corps. Nous buvons tous régulièrement de l'eau et toute autre boisson pour nous rafraîchir ou étancher notre soif. L'importance de ces liquides va au-delà. Elles hydratent le corps et l'organisme. Mais quelle est l'importance d'hydrater son corps Alors, mes petites recherches sur le net par-ci par-là me permettent aujourd'hui de répondre à cette question. S'hydrater permet de préserver sa santé tout le monde est conscient de cela. Ce que nous savons peut-être moins, c'est combien l'hydratation est garante de notre équilibre physiologique. Tout d'abord, elle élimine les substances toxiques du corps. L'hydratation permet aussi de réguler sa température. Elle joue un rôle majeur euh, dans le maintien d'une température constante à l'intérieur du corps et plus encore en cas de fièvre. Comment bien s'hydrater Buvez sans attendre d'avoir soif. Donc, euh, vous pouvez aussi varier euh, les sources d'hydratation. Boire de l'eau nature n'est pas forcément facile pour, pour nous tous il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Vous pouvez euh, prendre des tisanes, des soupes, des bouillons, du thé, du café et j'en passe. Vous pouvez aussi manger des fruits et des légumes. Certains contiennent plus de 90% d'eau. Pensez notamment à la pomme, au melon, à la tomate, au concombre. Personnellement, j'adore les fruits. Et vous ah, On adore tous les fruits. Par contre, pour boire de l'eau, j'en bois oui quand j'ai soif, mais euh, j'abuse pas. Il faut abuser. Euh, L'excès de tout est nuisible sauf l'eau. Hein. des astuces. <laughs> Coucou les filles, c'est Fanta, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces intéressantes à connaître en cuisine. Astuce numéro 1. Ne rincez pas les pâtes. Lorsque vous rincez les pâtes, le goût et l'amidon naturel qui aide la sauce à coller sur les pâtes partent avec l'eau. C'est pour cette raison que certaines recettes suggèrent de récupérer l'eau des pâtes pour faire la sauce. Astuce numéro 2, la cuisson des œufs. Et pour cela, le sel est votre meilleur ami. Vous voulez que la coquille de vos œufs durs se détache en gros morceaux plutôt qu'en millions de petits fragments. Ajoutez une cuillère à café de sel, soit 5 ml, à l'eau avant d'y plonger les œufs. Dernière astuce du jour, comment dégraisser une sauce. Mettez des glaçons dans un tissu bien propre et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Fanta, pour ton astuce euh, des pâtes, là, personnellement, euh, j'aime pas que mes pâtes se collent. Hein. Donc, moi, je rince toujours. Bon, après, tous les goûts ne se discutent pas. Exactement. Donc, euh, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On espère bien que toutes ces astuces vous serviront dans votre quotidien. On se dit à demain pour d'autres astuces. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique rose, tout en espérant que vous avez pris note c'est nous, c'est l'heure d'aller au marché. Oui, salut pour euh, le reportage régional. Euh, durant toute cette semaine, nous allons faire euh, le tour de quelques marchés hein, en région pour nous imprégner des prix des produits. Ce matin, direction la capitale de l'Aïr. Eh oui, le ramadan a beau être le mois de jeûne, c'est aussi la période de l'année durant laquelle les Nigériens consomment beaucoup et également en ces moments que les prix flambent. Eh oui, tout coûte cher des produits hein, de première nécessité aux fruits et légumes, malgré leur disponibilité sur les marchés. Alors, allons faire euh, le constat avec notre correspondant Tila Amadou, que nous retrouvons en ligne juste après. した Wannan hayaniya da kuke saurara hayaniya ce ta jama'a da ke shige da fice a kasuwa a lokacin da suke cinikayya duk da cewa magidanta a agadis na gudanar da ibadun azumin ramadana cikin yanayin tsadar kayan masarufi inda galibin su ke hakuri da ɗan abin da ya sauwaka na kalacin buɗe baki. Baya ga tsadar kayayyakin masarufi da ma kayan abinci akwai rashin kuɗaɗe a hannun jama'a da ke kokawa da tsadar kaya ga dai ra'ayoyin wasu da na kicibis da su a babbar kasuwar tol ta birnin agadez. dai kayan miya hanya dai da kuma kayan da ake ta a dan gyaggyara da murice wasu kana eh, wasu kana samun su sun dan rage kaɗan wasu ko kamar misali su zo gala kaga duk sun yawa su wasu abubuwan da ake kawowa daga dazuka an ga kusa kusa su ma dai duk kudin su sun yawa kayan miya ne muka zo su Hmm, albasa attarugu kwabura watan azumi ma sun ki sassauta mana ga suna muna kuka da su waɗannan masu kamiya matsalolin dai sun fi matsawa al'ummomi masu karamin karfi da ke kokawa da wannan lamarin sai dai a cewar bagobiri mai kayan legim a kasuwa cewa yayi wannan tashin farashi ya zo daidai da lokacin da kayan suka yi karanci kayan ne dai suka yi karanci kuma masoya kayan suna da yawa da kin gani famletar abin da muke sayan shi dai san vincent dai san sankan a turwasan yau mu da kanmu abin da muka so famletar kat san sankan goma tara za a ci kenan dole ne sai ka sai da shi dala 100 ko 110 beteraf da abin da muke sayan shi muna sayan shi dala 30 dala 40 yanzu tsakanin jiya da yau abin da muka sai beteraf dala 100 100 muka sayo shi to kin gani nawa ne za a sayar da armin shi dole ne sai an samu an sai da 100 ko 120 to ma ita ma haka nan wani sa'in yan kasuwar kan yi odar kayan lambu da na masarufi daga kasar Najeriya wanda ya taimaka wajen tashin farashi inji Sanusi mai sai da kayan miya a babbar kasuwa muna kawo su kamar daga Najeriya haka kamar ina ga sun dauke tunda ko lokacin na ga diskin yan akwai su mai amma ba duka ba ake ninga samun su tunda bai yiwuwa ne a ce a shifka komi duka komi su samu lokaci guda ko akwai lokacin na ga diskin akwai lokacin da kuma sai mun tayi sai mun kana Najeriya yayin da aka fara azumin watan Ramadana a cewar yan kasuwa tashin farashin kayayyakin masarufi da ma kayan abinci kamar su dangin maka da shinkafa sun tashi ne sanadiyar irin yadda duwan suka kara ma yan kasuwar masu shigo da kayan kuɗaɗe duba da yawancin kayan suna shigowa daga waje inji Muhammad Usman mai sai da kayan abinci a babbar kasuwar agadez abun da yasa dole su yi sada ba namu bane da kasashen da ake kayan suke sarrafa kayan yaki yaki yau in ka siyo kaya dole kaya sai sai an sai wurin mai yanda kawo kaya kenan dole kai maka kara maka kaya kudi ko ba dan wata azumi ne kan mutum ce dan wata azumi ne maka ta alje da mai ta tike da arha to masu abun sun kawo kayan su Niger duwan ce kawai take da masalan Tilai na kwananku? lahiya. Lahiya wannan rahoton me yasa kuka shirya mun shi? To na shirya shi wannan rahoton saboda yadda kamar masu ƙaramin ƙarfi ke kokawa da rishin kuɗaɗe da kuma rishin samun abun buɗe baki haka wanda ya kamata a kan lokaci saboda tsada. Mhm. Saboda eh, kamar dangin su da ya su banana za ki ganin talaka bai iya sayen su. saboda an kara mishi kuɗi kankana ma hakan ga abubuwa ne wanda suke mai azumi yana kwaɗayin ya same su to babu kuɗi a hannun shi kuma hallau ga tsada shi ya sanya na ce bari mu duba mu ganin shin ina ne wannan matsala take to sun kwatanta mana cewa kaman abubuwa ne wanda shi kamar a lokacin gasar wajen kawo legimkin nan cikin yanki ne na nan agadis babu su sai sun ɗauko daga najeriya shi yasa suke da tsada saboda akwai abun da yake talaka yana son ya ci shi da bakin shi bayan azumi to baya iyawa saboda tsada haka nan ne alora wace matsala kuka fuskanta hmm, lokacin yi wannan rahoto To eh, lokacin da na haɗa wannan rahoton matsalar dai da na samu guda ɗaya ce ita ce ta gashi ina ɗauke da azumi. na farko na biyu kuma wajajen karye biyar da rabi ne lokacin nan ne adda kwai cunkoso zan samu ambiyar skin nan na mutane ana shiga ana fita ana tsaye. to a wannan lokacin ne yake daidai to wannan lokacin kuma lokaci ne wanda shi ya kamata a ce ina gida ina shirye-shiryen nima buɗe raki. to bancin wannan matsalar babu wani matsalar da na samu na samu kowa da kowa duk wanda na bukata in yi magana da shi kamar ma suna jiran dama a tambaye su mutane Merci Tila Amadou pour ces précisions. Un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté à Agadez. Merci beaucoup. Merci. À présent, place au sport avec notre chroniqueur du jour, Grouza Hassumi. Grouza est avec nous. Grouza, bonjour. Euh, bonjour Sali, bonjour Sino. Bonjour euh, comment vous allez oh, ça La forme ce ah matin ah, avec le sport. <laughs> Alors Grouza, l'équipe U23 euh, Niger a battu hier le Soudan en match retour pour la qualification de la Cannes qui va se dérouler au Maroc. Oui, c'était le, mardi, les poulains de Zakriaou Ibrahim ont arraché leur qualification après le faux pas du match aller zéro but euh, partout à Niamey. Le mardi dernier, les Nigériens ont su surmonter la pression des supporters euh, soudanais en inscrivant deux buts contre un pour le Soudan. Cette victoire va permettre d'ailleurs aux jeunes Nigériens de participer pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations dans cette catégorie qui aura lieu cette fois-ci au Maroc. Félicitations donc euh, à ces jeunes et à leur staff. Ça nous permettra de découvrir euh, l'entraîneur de cette équipe U23, n'est-ce pas Oui, c'est nous, Zakriaou Ibrahima, 52 ans, très charismatique, chanceux, comme le démontre cette prouesse euh, avec les U23. Sorti de l'école de sport de Leipzig en Allemagne, où il obtient une licence d'entraîneur de foot. Ibrahim Zakariaou est détenteur également de deux licences de la CAF, la Confédération africaine de foot, C et ex-sociétaire du Sahel Sporting Club de Niamey et de l'OFC, Zakariaou a fut champion du Niger en 84-96 en tant que joueur d'abord. Mais il a débuté sa carrière d'entraîneur en D1 avec ASCBK de Kony 99 2002, une équipe qui l'a fait monter, il a fait monter d'ailleurs en D1 et qui jusqu'à présent euh, cette équipe joue toujours le maintien dans l'élite au Niger. Puis l'entraîneur adjoint, entraîneur adjoint du Sahel 2002-2005, Zachary a été confirmé entraîneur principal du Sahel en 2006 où il a remporté d'ailleurs plusieurs titres. Puis entraîneur de Fan, là également il a remporté la Super Coupe du Niger 2015-2016 et le titre de champion du Niger 2016-2017. Après son séjour avec euh, euh l'ASFAN, le coach Zakariaou est sollicité par l'USGN en balotage à l'époque dans le championnat. C'était en 2019-2020. Le même, la même année, il a décroché euh, la place de vice-champion du Niger pour les gendarmes. L'année suivante, en 2020-2021, il a arraché le titre de champion du Niger et remporte la Coupe nationale. Grâce à Zachary, l'USGN participe pour la première fois à une compétition internationale. Il a d'ailleurs euh, eu un parcours brillant en Ligue des Champions et aux phases euh, finales, aux phases des poules pardon, de la Coupe de la CAF. Grouza, il a eu également les éliminatoires de la Cannes la semaine dernière. Ah oui, euh, Sali, euh, le MENA du Niger a perdu une fois encore devant l'Algérie pour le match retour. Les Fenech gagnent ainsi leur billet pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Après l'Algérie hein, qui a bâti euh, son billet, quels sont les autres pays qui ont eu leur ticket Oui, après l'obtention du billet euh, pour euh, l'Algérie, nous avons le Maroc, première nation d'ailleurs, qui a remporté, en tout cas, qui a eu son billet pour cette compétition, phase finale de la compétition. La Côte d'Ivoire suivie de la Côte d'Ivoire, pays hôte. mais également, il y a également les autres groupes euh, qui euh, on peut peut-être euh, avoir, en tout cas, leur, leur position mhm. pour, à la prochaine sortie au mois demain prochain. Merci beaucoup, Gourouza. Merci infiniment. Chers auditeurs, tout un autre plan, à présent, le portrait du jour. Les amis du Niger sur Kalongo, ce matin, nous allons à la rencontre de Amatila, un jeune conducteur de moto tricycle pour transport de marchandises. Cela fait trois ans qu'il exerce ce métier à Niamey. Et eh oui, hein, c'est cette activité qu'il tire l'essentiel de son revenu. Notre reporter euh, Omar Hama s'est entretenu avec lui sur son travail et les difficultés qu'il rencontre en tant que conducteur de tricycle. Son portrait. Thomas de la Hama, il faut wallayi e, o proti cri cyclique hinsko ngineg zulandi ngine condemit guinei noon ig sambu alay fo wallayi o guine denege sambu kay ka yacine boto kanngo nanga guine nogo foyndage sele ili saba ego koy ha boramo noon kan nde boto de koy ka dinda selenge saba ego aygo koy to jirmatke kandigoga te wallayi so jiiri hinkala sabayde wato jiiri hinka jamman nan fo nene so ate ategi hingala sa kan wala sabule ni goga du nafa ni go yo wora wala mate goga du nafa alhamdulillah morsi jana me mo si jana kangina ma yaro mo ngoyandi afande kangay do ak to kam mo ko bor fo mo gi gam mo gam ne bor kay gi la mayaro ngoyandi yanga alfani wasi nguma ngu bisiyadi eh sende fono ni goga du ni go yo wora wallahi sende kin go du wogo ba ama niji son inde taxi man yo wala inde personnel ko inde dogon bar ko di gonda e kendi kenda am da wala di hayo ag ag ag hanse gin pousse kan basculation na rango wala gin tute wala wala gin garnese kan sinde ka sede man kan askan de bine et puis ne di eh, police kan ke fondera ngemo gonne nge ayo kigite foni gudi borago ha zur ganne gine on sar guri az bursa ha yobe borago zur ganne gine amem tanno nim kar bor foga kan wonon talo sintin yamma to borno to yak bor kan bang sarwo bor so so ndik te talu ko to madalla hama ni ne goyo wo ni girin kala sabe kan ni ne ne sintin ke yon fono ni gite furo te je se kan gogo windi kan sinda goy kigete to wallahi woni o ege kelece ege faman ni se woni manta ne dan kan borgu dum men wari o abisu gore ay gon babo fo kan woni ay non ay non dangara ay mo bor fo ne dangara ay ma on kanimo alhamdulillah Merci Omar Hamma pour ce portrait inspirant. C'est nous, c'est le moment pour nous de découvrir la recette culinaire d'aujourd'hui. Oui, salut, il s'agit de la pâte de bleu et la sauce de malofia, en hein, foku en langue germane, C'est la recette que nous allons découvrir avec Mme euh, Madame euh, Zara Goshi, ressortissante d'Agadez. Elle est au micro de Hawa Ousmane. tuwo alkama ya kamar yanzu alkama ki kai ki kai ta mashin ki niko kin sa alkama ko ya kan mata tana yi in kina so ki surfo ta kamar in kika kai kika niko tsaki sai ki tankade shi sai ki tsaye mishi jissa ki taligi da shi in kika yi taligi da shi garin shine kike tuka in talgi ya dafu kamar wadda kike tuwon kurba kurba in kika tuka yadda fu kamar tuwon da fu shikenan sai ki kwashe sai kina mulmula shi kuma in kina so kina sa ga leda kina kulla kamar kafa to ita miya ta malohiya ha to miyan malohiya ita ga ce mata aka yi malohiya soyayya irin wadda ake soyawa kamar yanzu ita kayan miyan ta dai na gargajiya mu abin da muka sa tomatu bushashe lawashi ga bibi kuke ciya shi lawashi sai ki sa da tumatu bushashe tafarnuwa daudawa yaji alkamin su ne dai ta dai kawai ba a samu maji sai gishiri da albasaki shi kenan ki dafa miya ki kamar da kike dafa miya romo naman ke dafu da kyau mai ya fito sai ki zuba madohiya kamar da kika ga mini sai ki ta soya haka haki gani ta hiddo mai ta soya ta baje sai a tsaye da ruwa shi kenan in ta da kina ga wadda ta sai ki jefa attarugun muku in ɗabi in guda da ɗan faburam in shi kenan. to ita wa gamiya naman ragwa ka so ko ko wani irin nama ake aiki da shi. naman da kike so mu dai da kifi da kaza abba minta kin ga mu wajen mu muna cin naman raƙumi ana da na raƙumi ana da na rago ana yi na busuru na akuya duk da wanda ya samu nama nama sai kenan. C'est non, mon petit doigt me dit que tu es en train de saliver sur ces <laughs> plats. ah ouais, tout à fait. ne t'inquiète pas, je t'inviterai un de ces quatre à déguster ce plat. Mais pour le moment, voici le loti des femmes de Studio Kalangu qui nous parle de l'infertilité. Dans certains couples, après plusieurs années hein, de mariage sans enfants, ce sont les femmes qui sont indexées et stigmatisées, notamment par la belle famille. Et pourtant, c'est peut-être à tort. Plus de précisions dans le loti d'aujourd'hui avec Rafika Ataer et Mariam Diallo. Saut d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Hmm, je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jam, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait six ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire Comment vivre avec ce fardeau Hé, hé, hé, hé, calme-toi. es tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi Tiens Gynécologue Là où je suis allée, là. Ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Hmm, voilà le problème. Sans examen, tu peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, L'infertilité primaire, c'est mon cas Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue Non, ça coûte cher. Non, non, non, non, non, non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord <laughs> Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois <laughs> Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi Mais je suis foutue Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seule. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois, mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme le sport intensif et surtout de nos jours l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout cela. Hein, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. C'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalongu. Retrouvons à présent Soumana Amodo pour la culture linguistique. Avec lui, nous allons découvrir ce que signifie soudure pastoral. Soumana, bonjour. Bonjour. Au Niger, euh, la période de soudure pastoral est constatée au début du mois d'octobre ou novembre et peut s'étaler jusqu'au mois d'avril. Dans certaines zones de notre pays, la période est caractérisée par le manque de pâturage et d'aliments bétail. Pendant la soudure pastorale, beaucoup d'éleveurs nigériens enregistrent une grande perte dans leur cheptel. Les animaux se vendent mal, les termes de l'échange avec les céréales diminuent, exposant certains ménages à une insécurité alimentaire. La solution à cette crise serait donc que les éleveurs réduisent la taille de leur cheptel, ce qu'on appelle le déstockage. Merci infiniment, Soumana, pour euh, ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésite pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. À présent, Sali, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. Je me nomme euh, M. Moussa Mahmoudou Mahaman. Je suis professeur de français au CEO franco-arabe de Alakay. Je suis un fidèle auditeur des émissions du studio Kalangou. Vraiment, Studio Kalangou, depuis que j'ai commencé à, à, suivre leurs émissions, j'ai constaté un véritable changement à mon niveau d'abord et ensuite au niveau de la société parce qu'il y a des émissions vraiment qui nous émerveillent. Surtout l'émission Chronique judiciaire c'est une émission qui nous édifie surtout sur les règles élémentaires souvent de, la vie sociale. Et il y a aussi la nouvelle émission qui est mise en place l'émission de 11h midi, vraiment où nous apprenons beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne la culture. Studio Kalangou, vraiment, nous ne pouvons que vous remercier de ce que vous faites pour nous vraiment, c'est très instructif. Nous apprenons beaucoup à travers vos émissions. Par rapport à une éventuelle suggestion, nous vous encourageons. Nous suggérons aussi que vous continuez dans ce sens, surtout à créer de nouvelles émissions

ba masala cikin daidin ka iga imu duga bon zama ga sai no igo ga wodin te borai sin wir godu ira be gumu ngai mu ifa ka dira tontono rai gati kan irga ba im tontonir sai lokaci ra kan gana na irma hangan ama bori koi ne zan go sa ara sandi imu tonton da ingai fama ra ga tonton borai sai imu tonton gumu irga ba wadin koyne moda zan ka furta di imi candi ingai ka ingai ga dai in fa imi fahamandi matkan furta ji haraka bora kulmu du bere charbandi ai gai bere fo kan sai gane mai muna guja gonya mai ingan dai ai wane amma ga ngamo gono din francophonie dal tilbere ay gonda fo ga ngamo igana se amina ai go gafu mai suna ya bi mai kayan kwali wanda yake cikin babbar tashar da magara abin da ni dai zan dan kara akan basa mutanen da suka kara basa kan kalangu a gaskiya kalangu wani rediyo ne wanda yake kusan ni dai ya kara mani jin karin daɗin rayuwata saboda akwai shirye-shiryen da suke wanda shahin na labarin nan na gida dan labarin da suke na gida yanzu har kusan yaren Nijar wanda ban iya ba ɗaya ɗaya daga ciki tunda in suka fara kowanne ne sai ya kare ina bin shi saboda ƙafa irin wannan shuran da nake nutsuwa ko na yau da gobe yau da gobe duk kalmar da aka wadi da wani yare wanda ba nawa ba sai in riƙe shi da an faɗe shi na san abin da aka wadi. kina wannan ni karuwa ta ce kuma abin da nake so a rediyo kalangu a gaskiya mu muna daga cikin wanda muke bin tun da ƙarfe biyar kiɗan wani har ƙarfe bakwai to inda ake dan samun matsala ɗaya nan mu kamar lokacin namu ya shiga kamar cikin lokacin sallah ne ko ba gaskiya kana tsaka shuraren sai ka ji an yi kiran sallah dole ka gani ka yanki kenan muke so a rediyo kalangu ya kamata wannan a dan diba wannan hilin a san ya ne za a yi a dan kara mu shi tunda gaskiya rediyo kalangon ta shiga mu da mun ji an buga kalangon kawai mun san abubuwa ne za a haɗu wanda suke za su kawo ci gaban al'umma wanda suke cikin Nijar tunda zan ka dauka a gaskiya yanda muke bin wannan labarin rediyo kalangu ba mu bin sauran rediyoyi wanda suke kasashen waje wannan kuma labaru ne na cikin gida na kasashe gaba ɗaya Nijar sai an kewaya ta abinda bakar labari kana zamane zaka ji labarin shi a nuri kuma gashi kalangu saboda Allah da annabi bata bar kowa ba mace yaro lattijo wane ne kowa a cikin radio kalangu akwai shi Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était bien les messages vocaux de nos auditeurs. Nous revenons encore une fois de plus avec Soumana, qui va bien évidemment nous expliquer, n'est-ce pas, l'expression en langue fulfulde. Non, on tiri, c'est non, ça là, on wakati, de cette wulli, de on on on hono dabbaji no tampa sanne fa himɓe hewɓe dabbaji mum ene mbata allah e rafidurande allah e rafidu konɗan ni hono ñamri ko sotte e luuma har fila ko darto ɗiɗo dabbaji hun noon ko laatide koɗa dabbaji ɗi no fooƴan luuma majji weela fa yetto nokku to jog en jawdi ɓe enden keppa ko sodirta ba hono ñamri kay koye mum ɗum en nene ne kay lawol ko han tokkede woni E <laughs> merci beaucoup le niger sur kalangu c'est terminé pour aujourd'hui vous étiez en compagnie de salamatou kadiri et ali munkaila Ousseini. à la technique euh, c'est amina hassan et la grande dame adama dawaki notre chef d'édition excellente journée à vous et bonne rupture de jeûne bye. bye. <laughs>